Nous représentons 500 euh, entreprises allemandes. Euh, dans notre réseau, euh, il se trouve 85% euh, des entreprises qui sont actives euh, euh, sur le continent africain. ce sont des grands multinationales, mais ce sont aussi des PME internationalisées qui sont actives dans tous les secteurs de l'économie allemande et qui s'intéressent de s'engager davantage dans des pays, dans des pays de l'Afrique. On a discuté les potentiels d'une coopération économique plus plus étroite entre nos deux pays. Euh, nous avons surtout discuté des opportunités dans le secteur euh, de l'énergie renouvelable. On a beaucoup d'opérateurs euh, dans ce secteur ici en Allemagne qui sont intéressés de, de s'engager davantage aussi au Niger dans le secteur de l'énergie renouvelable classique, mais aussi dans le secteur de la production de l'hydrogène vert. Euh, euh, nous voyons grande potentialité euh, et nous avons discuté qu'est-ce qu'on peut faire au Niger et ici en Allemagne et en Europe pour stimuler plus de projets. et j'ai surtout adressé la question des, des, garanties publiques et les conditions euh, sous lesquelles euh, les euh, producteurs d'énergie renouvelable peuvent fournir l'électricité dans le réseau national. Il est très intéressé de renforcer la coopération non seulement avec l'Allemagne, mais surtout aussi avec le secteur privé allemand et nous a invités euh, de, euh, euh, de, nous informer davantage, de même mener une petite délégation d'entreprises allemandes intéressées. et on a aussi parlé de projets qui sont déjà en cours, par exemple des projets dans l'énergie hydraulique ou bien dans le secteur de santé ou dans le secteur de la production de my heart is uh, uh, uh, my heart is in uh, Niger. Okay. I living four years in uh, uh Niamey, Quartier uh, Kobia, okay. and I love Niger. I love Niger. My heart is in, in, in Niger, and I, I searched for, for the investors, German investors, German partners. They come to Niger for agriculture, for building, for, for uh, university in Newton. And uh, this is the best uh, uh, time the president come here to Germany. And uh, the next time we go, uh, go to Niamey okay. for the next meeting. Uh, we are working from Germany, um, transferring uh, German technologies, innovations, know-how, but also financing uh, international to different countries. Uh, Africa is a very important continent for us, and uh, so we are very, very happy for the opportunity today to meet the president of your country, uh, to offer to him a collaboration on German Niger level.